parle juste de personnellement ma lecture le ma pour mon l'air. Ah, je ne dis pas que c'est une vérité mais c'est ma lecture la pour pour l'un pour vous comme docteur comme docteur Abdourahmane Diouf clairement fait contre le sec clairement condamné le Seck le dem ci nanani, clairement il est opposé à Idrissa même si fekkee c'est son ancien leader mais Déthié ne l'a pas fait de ne l'a pas fait te ça je trouve ça trouble je trouve ça trouble parce que pour moi, De ce su qu'il ne il ne l'a pas fait ça signifie que nous calcule calculer si Ousmane Sonko est éliminé et si Ousmane Sonko est éliminé Ousmane devient une mastodonte et si Ousmane devient une mastodonte il a tout intérêt à garder des relations propres avec lui Mako ko wax vous wax capturer ko foofu la trouble ci man gis nga xam nga aussi lan moo trouble ci man ci Déthié Fall Déthié Fall dafa def benn émission je ne sais plus quelle chaîne mooy chaîne boobu nga xamante ni lay toogal docteur Abdou Rahman Diouf def na ko Déthié Fall def na ñoom ñëpp def nañ dans cette émission là benn instant journaliste bi posé question ne ko ne ko est-ce que mu mun nga un jour redajee ak Idriss Seck Déthié Fall ne ko rien n'est impossible en politique loolu moo ko wax samay nopp gémmiñ gémmiñam ça c'est première chose Deuxième chose, conférence de presse où Idriss pas le dernier, mais l'avant-dernier. Quand Idriss Seck donnait comme exemple ces lieutenants qui sont, qui sont bien, mais waxul docteur Abdou Mohamed de wax daf ne gisoo a man ñu yar ñëpp ay guerriers. tu donc d'un côté on a. non il a il a même fini par dire que ni euh, Abdourahmane Diouf il raconte des histoires. non ça c'est le dernier dernier. oui c'est le dernier oui. mais man je parle de l'avant dernier. en fait de l'avant dernier il me fascine maintenant je le je le regarde quoi mon <laughs> film là. et donc du coup l'avant dernier il Seck disait que que Déthié Fall parallèlement euh, quelques jours plus tôt Déthié disait rien n'est impossible en parlant de prochain dajeem Idriss bref lolo jël leen ko en en compte gars yi di ma seetaan